Rebonsoir ou bonsoir si vous venez juste de nous rejoindre. Yacouba Drago avec vous en direct du studio 12 de la Voix de l'Amérique à Washington. Je suis en votre compagnie dans cette émission d'avant-match de la Basketball Africa League dont la saison 2, je le rappelle, est en cours à la Dakar Arena au Sénégal avec moi pour vous tenir en haleine dans ce studio. Ali Abdul Jim, rebonsoir Ali. Bonsoir Yacouba. L'émotion est un peu retombée Bien sûr. Après, après, <laughs> match. <laughs> en ah, direct de Dakar, de la Dakar Arena, Dina Abagé. Dina, bonsoir. Bonsoir Yacouba. Vous avez repris vos esprits hein, après ce premier match de la journée assez palpitant. <laughs> Ah oui, euh, ce, match a plus fait vibrer les gens présents dans la salle que les matchs du Duc en tout cas. Ah voilà, voilà, voilà qui est bien dit. Alors, tout à l'heure, hein, dans 30 minutes exactement, à 21h temps universel, l'AS Salé du Maroc joue le au d'Abera du Mozambique. Bien avant, on va le rappeler, hein, Rwanda Energy Group a crucifié Seydou Legacy Athletic Club de la Guinée 83-81 avec un shoot assassin hein, de Jean-Jacques euh, du Rwanda à la dernière seconde alors que Slack menait 81-80. Deuxième défaite donc euh, pour Slack, battu hier hein, par les Tunisiens de l'US Monastir 76-55. Alors, Ali, les Mozambicains débuteront ce match quand même révigoré pardon, par leur victoire à sur Dakar University Club 98-92 au terme aussi d'un match assez renversant. Ben, euh, ils vont jouer contre une grande équipe euh, marocaine, donc euh, ils vont se préparer mentalement et physiquement, et puis assez, il faut prendre assez du, du, temps dans ce game-là pour pouvoir dire, conserver l'énergie et, prendre le dessus au quatrième quart-temps, comme on l'a dit. Le match finira par qui va jouer la défense au quatrième quart-temps. Euh, l'équipe a gagné euh, hier euh, contre l'équipe sénégalaise qui a donné, qui a bien joué. Hein? mais voilà, mais aujourd'hui ils vont jouer contre une équipe qui a assez de moyens, qui a assez de, bons joueurs et qui vont pouvoir venir pour écarter Bira. Mais j'espère que l'énergie d'hier va leur donner un peu ce qu'ils vont faire ce soir pour pouvoir venir maintenir ou soit aller jusqu'à au bout et ah, on avait parlé hein, de fatigue euh, du côté de Slack qui a, qui a joué hier et qui a rejoué donc aujourd'hui, mais le Slack a prouvé le contraire. Faut-il s'attendre à un scénario pareil pour Bera euh, Bon, je, pense que euh, ce ne serait pas opportun de leur part de faire la même chose parce que on l'a vu avec le Slack. Crawford et Obekpa ont joué chacun l'intégralité du match à certains moments, il y a des choix où ils ont manqué un peu de lucidité. Et, je pense que l'entraîneur du Ferroviaro gagnerait plus à euh, faire jouer, en tout cas avoir une rotation plus large et, faire jouer la fraîcheur. Parce que Robert Pack Junior l'a dit tout à l'heure en conférence de presse, il a dit que malgré que l'entraîneur du SLAC maintenait ses joueurs clés sur le terrain, lui, il a préféré faire tourner car ces joueurs-là ont joué il y a moins de 24 heures et il savait que la fraîcheur physique allait peser vers la fin de la rencontre. Donc, il a fait tourner, même si le SLAC maintenait ses joueurs majeurs sur le terrain, lui, il a préféré faire tourner, prendre le risque de faire tourner, parce qu'il savait que tôt ou tard, la fraîcheur physique allait faire la différence dans le choix, dans la lucidité euh, défensive et dans l'intensité. Même si dans l'intensité, le slack n'a pas baissé, dans la lucidité, peut-être ils ont un peu pêché parce qu'ils ont joué à moins de 24 heures et, et dans la rotation, leur entraîneur n'a utilisé que 7 joueurs dont euh, deux euh, qui ont joué l'intégralité du match et deux qui ont joué une trentaine de minutes, euh, ce qui est très lourd pour les organismes. Alors, Ali, on a vu cette équipe hein, de, de l'AS Salé du Maroc. se faire battre, on dira plus se faire battre, mais en fait on disait que c'était une surprise lorsque l'AS Salé a été battue par Reg, mais on se rend compte en réalité ce n'est pas une surprise, même si l'AS Salé en forme, Reg également est une grande équipe et elle a confirmé ce soir. Est-ce que les Marocains vont décidément se relancer dans cette compétition par une victoire ce soir Absolument. Absolument. Pourquoi Parce que euh, ils ont eu le temps de se reposer. Euh, euh, et je vois pas pourquoi ne pas avoir pleinement d'énergie de pouvoir gagner ce match ce soir. Mais il faut aussi comprendre que l'équipe marocaine a perdu ce match contre REC. Pourquoi Parce que c'était une gérance du temps. Le coach n'a pas su gérer ce temps normalement pour qu'il puisse dire gagner ce match. Donc, euh, je pense que la coach, elle va veut dire euh, pouvoir euh, implémenter des changements ou soit même avoir un système en place pour pouvoir veut dire aller jusqu'au bout. Et pour moi, ça sera intéressant de voir qu'est-ce qu'elle va veut dire pouvoir donner à son équipe de pouvoir veut dire arracher cette victoire ce soir. Alors, chaque Thierry, vous, vous, nous rejoignez, vous faites les deux, hein, la production, <laughs> et vous êtes aussi en studio ici avec nous. Alors, on a, on, a cette équipe euh, de l'AS Salé qui a perdu son premier match. Mhm. Elle fait face à une équipe euh, comme Beira de Mozambique qui a joué hier. Hier, qu'ils ont gagné, justement, qui a gagné face à Duke. Mhm. Alors, quand on est du côté des Marocains, comment on aborde un match face à un adversaire qui vient juste de, gagner son match hier Bon, ça va, ça va retourner dans le même système comme aujourd'hui. L'équipe Slack a joué hier, ils ont joué aujourd'hui. C'est la même chose pour euh, l'équipe euh, de Mozambique, Bera. Donc, euh, on a vu que l'équipe de Slack aujourd'hui, ils ont fait, fait l'autre équipe jouer à leur rythme. <laughs> Exactement, exactement. C'est là qu'a réussi à entraîner les Rwandais dans les, Comme ça, ils jouaient à leur rythme, ils les, ont fait jouer à leur rythme. Et sur l'équipe euh, Mozambicain fait ça avec l'équipe AS, Mali, Salé, ils vont, ils vont vraiment s'en sortir. Mais à reconnaître que l'équipe Salé <laughs> a, les, les, trois meilleurs joueurs de l'année passée, là, parmi les trois meilleurs joueurs de l'année passée de Basketball Africa League 2021. Et il y a le meilleur, euh, les meilleurs marqueurs de tout les tournoi de l'année passée qui joue avec eux. Et puis il y a aussi le numéro 15, euh, l'Espagnol, je pense. Il est très bien aussi avec Aruna. Alvaro Voilà. Alvaro, avec, euh, Massa. Voilà, avec Aruna aussi, qui je pense qu'il était de l'équipe Mozambique l'année passée, qui va aussi vraiment s'affronter à l'équipe Beira aujourd'hui. Bon, ça va être un match quand même très intéressant. On, nous, nous les, les, les, pays maghrébiens ont toujours les, sont dans les, dans les top top dans les, dans toutes les sports maintenant pas seulement le basket on les voit même au football qu'ils sont dans les top les, les cinq les cinq les cinq équipes euh, majeures dans les conférences oh, ils sont ils font partie des cinq équipes majeures et Afro Basket et puis Africa Basket ou Africa League comme tu les voyais l'année passée ils ont passé à toutes les étapes au demi-finale les, pays maghrébins ne soyez pas surpris si l'équipe marocaine va vraiment se revancher aujourd'hui <clears throat> il faut aussi comprendre que l'équipe marocaine va pouvoir euh, venir euh, euh, à une attaque. leur système de jeu, c'est de contre-attaque. Tu sais, ils, vont courir. Ils vont faire courir l'équipe de, de, Et l'équipe de Beira a intérêt à pouvoir s'imposer et, adapter. Voilà, et adapter au système marocain. Parce que le Maroc, ils vont sortir pour passer le ballon. Ils vont jouer un jeu rapide. Et c'est pour pouvoir dire, faire fatiguer l'équipe qui a joué hier. Donc il ne faut pas dire, être surpris si on a vu des contre-attaques venues directement dès le début de ce match contre Biera. C'est leur point fort quand voilà, c'est leur point fort. Et ils sont là pour gagner ce match ce soir parce qu'ils vont mettre la pression à Biera et les faire fatiguer. Le troisième quart-temps, on verra qui va, on verra si Biera va venir pouvoir tenir à, ce contrat. Voilà. Et euh, ne, ne, sois pas surpris de, voir les Marocains euh, commencer avec le match à, à une allure de 100%. Alors, Seydina, chaque soulignait quelque chose tout à l'heure. On a vu hein, effectivement cette équipe euh, de Slack qui a joué hier et pour éviter le coup de fatigue, ils ont amené les Rwandais à jouer dans eux leur rythme et donc ils ont pris les commandes. Est-ce qu'il il, faille hein, pardon, que Beira fasse pareil ce soir pour pouvoir s'en sortir Oui, moi, euh, excuse-moi, Yacouba, j'ai pas bien entendu la question. Il y a eu oui, Oui, je dis, on, a remarqué que l'équipe de Slack Seydou Legacy Athletic Club, qui a joué hier et qui a rejoué aujourd'hui, a réussi à amener les Rwandais dans leur rythme à eux afin de gérer justement leur fatigue là. Est-ce que Bera aussi qui a joué hier et qui fait face aujourd'hui à l'AS Salé dont le dernier match remonte quand même à dimanche, est-ce qu'il faille que les, les, Mozambicains amènent les Marocains dans leur rythme à eux pour pouvoir gérer un peu le, le coût de la fatigue qui, pourrait sans doute se euh, présenter je... Je, pense que ce serait, serait, la meilleure option pour eux parce que en bon, en basket, ils ont l'habitude, euh, il faut le dire quand même, d'enchaîner. Euh, Cher et Ali vont le confirmer, ils ont l'habitude d'enchaîner deux ou trois matchs sur deux jours. Mais face à l'intensité de ce genre de tournant, je pense qu'il serait plus judicieux euh, d'essayer d'amener le match sur leur rythme ou en tout cas sur un faux rythme qui leur permettrait de ne pas subir la vivacité et la vitesse de jeu du, euh, de l'AS Salé. Euh, parce que, comme Cher le soulignait, à, à l'AS Salé, il y a des joueurs euh, majeurs de la première édition de la Bowl. Terrell Devon Stonglin, qui était l'année dernière avec eux et qui était l'un des meilleurs joueurs du tournoi, euh, pour moi, il gagnerait et l'équipe également gagnerait à ce qu'il joue un peu plus collectif parce que lors du premier match, on l'a vu, il a un peu, il a rendu le jeu euh, de l'ASL un peu stéréotypé, contrairement à Cleveland Thomas qui euh, était un véritable dispatcheur de, de balles pour son équipe, le REG. Et c'est sur ce plan-là que peut-être euh, Cleveland a damé le pion à Soglin lors du premier match, parce que Soglin a inscrit 32 points, mais 32 points pour perdre, mieux vaut faire jouer ses coéquipiers et rentabiliser euh, euh, ses points inscrits. Moi, je, pense que le Ferroviaro de Bera gagnerait à faire jouer, comme tu l'as dit, Salé sur son rythme, mais Salé également gagnerait à ce que Soglin nous un peu plus pour ses partenaires. Justement, pour confirmer hein, tout ce que vous dites, Sedina, effectivement, côté statistique, par exemple, Cleveland, Thomas Junior, on se rappelle, hein, c'était face à l'AS Salé, le joueur de REC, donc s'est retrouve avec huit passes décisives, tandis que Stoglin avait seulement quatre passes décisives, même si en termes de points, Thomas Junior, bien sûr, avait 26 et, et Stoglin 32. Euh, Alors, Ali, Sedina a souligné quelque chose de très important. Même quand on a un joueur qui se détache du lot, le collectif doit primer et c'est ce qui permet de remporter des matchs. Mais, <clears throat> excuse-moi, le, basket, c'est un jeu collectif. On peut pas, on peut pas jouer avec quatre joueurs ou trois joueurs. Hein. Donc, il faut absolument cinq joueurs. Et il faut être collectif. Euh, collectivement, veut dire ensemble et pouvoir veut dire euh, euh, faire face à une équipe qui va venir en attaque et en attaque et en attaque. Pour moi, ce que moi je vais voir, c'est la communication et aussi de voir si le coach va venir pouvoir gérer ce match à, sa faveur, de pouvoir veut dire conserver ces, joueurs clés et les faire veut dire jouer euh, au troisième carton ou soit euh, pourquoi pas euh, au quatrième carton. Si j'étais à sa place, pour moi, je vais dire commencer avec les, les, meilleurs pour le, premier carton. Le, le, deuxième carton, on va les faire jouer, mais juste pour cinq minutes et pouvoir les faire revenir au troisième carton parce que ils vont être fatigués. L'équipe, la Sahel n'a pas joué hier et ils vont être à la hauteur de pouvoir courir, courir, courir. Ils vont tenir mieux que les, les, qui ont quand même joué hier et qui rejouent aujourd'hui. Bon, moi, quand même, je pense que euh, l'équipe rwandaise a vraiment. Ils ont, le coaching là, ça, ça, a beaucoup de, différence différences aussi, hein, parce que quand ils jouaient contre le Rwanda là, et le, coach a vraiment vu que leur point fort sur le fast break, tu marques point sur leur sursaut, moins de 6 secondes, ils passent une transition, trois pas seulement, ils sont déjà au-dessus de saut. Donc, euh, les, les, coachs a vraiment su ça, qui ça, leur, point fort, c'est le fast break, c'est le, contre-attaque. Donc, il il a mis les joueurs ils ont arrêté ça. Le numéro 11, Jean-Jacques, qui a mis le 3 points aujourd'hui, il était à la base de cette défense-là qui a fait arrêter l'équipe de les faire jouer dans un rythme que, que leur point faible. quoi. Leur point faible, c'est la, les fast break. Surtout euh, le meneur en, espagnol, et je pense que son nom c'est Alvaro. Ah, Alvaro, ah, il a 15 points la fois dernière, il est très bien. À vous, à vous, vous rappeler que l'année passée, il, il était l'un des meilleurs joueurs euh, dans les tournois. Hein. Et, puis le Terrell, devant Stoglin, va toujours faire son jeu, Il a 32 points le premier. shoot. Ouais, c'est un shooter et puis c'est quelqu'un qui a décidé de jouer et puis il a l'expérience, il peut jouer vraiment. Mais côté de l'équipe en, en euh, je vois qu'ils ont beaucoup de talent aussi et ils ont ils ont d'ailleurs vraiment nous ils ont fait des surprises à la On a vu hier euh, leur euh, joueur Kennedy. voilà Kennedy qui est très bien aussi. Voilà, on a vu Kennedy aussi qui peut vraiment faire des changements aussi, mais c'est pas une grande équipe comme AS Salé parce que cette équipe Mozambique, ils sont pas grands de taille, quoi. L'air, ils n'ont pas beaucoup de pivots. Donc ça, ne soyez pas surpris si vous voyez un match euh, de meneur ici aujourd'hui. Voilà. Et puis, ça, ça, va, ça va être consistant sur le, point de la défense. Comment verrouiller et prendre le rebond. On va jouer, on va jouer contre une équipe qui est assez grande que nous. Maintenant, il faut verrouiller. Si on arrive à verrouiller et prendre ce ballon qui tombe, on va pouvoir avoir un match très Il faut être défensivement présent, il faut être sur les deuxièmes ballons, les voilà. rebonds comme on les appelle. Mhm. Et maintenant, le coach va venir pouvoir jouer Perry et euh, l'autre euh, euh, Kennedy, au troisième carton de pouvoir venir le maximum, leur donner du maximum. Ça, c'est les deux meilleurs joueurs de l'équipe. Voilà, c'est les deux meilleurs si ils ont ce système en place, je pense qu'ils vont venir faire un bon game envers la SAL. Mais il ne faut pas oublier L'AS Salé. est une équipe assez grande et euh, on, verra s'ils vont venir pouvoir tenir avec euh, cette équipe euh, moyenne que, que, Oui, mais justement, quand on est quand on est l'AS Salé et qu'on a de grands gabarits, hein, parlant de la taille, et qu'en face les gabarits c'est encore c'est moyen par rapport à soi, et qu'est-ce qu'on fait Je sais que l'AS Salé a lu le plus souvent gabarit et jeu rapide. Qu'est-ce qu'on fait je, pense que les, deux équipes se valent sur le papier en termes de, en taille. termes de taille, si je peux m'exprimer ainsi. Maintenant, euh, la différence, c'est que peut-être la Salé a des, une raquette plus costaud, en tout cas, que, que, que le Ferroviaro. Mais, euh, mais c'est comme le soulignait l'entraîneur du. Euh, euh, l'entraîneur, euh, je pense, du Ferroviaro, c'est lui qui l'expliquait hier. Il disait que quand on joue le monastir et qu'on ne parvient pas à défendre dans le secteur intérieur, on est obligé d'être très efficace à l'extérieur. Et quand on n'est pas efficace à l'extérieur, euh, le jeu se plombe parce qu'on ne peut pas attaquer à l'intérieur et on ne peut pas, on n'est pas efficace à l'extérieur. Maintenant, si, si le Ferroviaro le Ferroviaro, pour moi, a une troisième option. On l'a vu contre le Duc. Euh, même quand le Duc défendait bien à l'extérieur, il posait des écrans, feintait le jeu à l'intérieur et ressortait le ballon euh, de Perry vers Kennedy. Et ça a été très efficace. Les 27 points de Kennedy en sont la preuve. Et il n'a pas pris tous les shoots ouverts qu'il avait parce que des fois, il feintait les tirs à trois points pour entrer dans la raquette et trouver d'autres solutions. Donc, je pense que le Ferroviaro est l'une des équipes euh, au jeu le plus chatoyant de cette compétition et surtout aux alternatives de jeu euh, le plus nombreux. Donc, euh, pour moi, la taille de, de l'AS ne devrait pas poser de problème dans la mise en place tactique du Ferroviaro parce qu'ils ont beaucoup d'options et ils l'ont montré euh, lors de leur récente sortie. Ali, c'est ce que vous constatez Oui, Seydina a parfaitement raison. Kennedy et, et, Perry, ils, facilitent le match et ils arrivent à dire, mettre les, leurs coéquipiers à l'aise de pouvoir venir s'exprimer aussi. Comme il, vient de le, citer, ces deux clés de l'équipe Biera, ils vont faire d'une manière que l'équipe marocaine va avoir un peu de, difficulté euh, de, difficulté. de, pouvoir dire euh, euh, prendre son match à 100% à l'air main. Donc, moi, j'ai totalement confiance à, bira de pouvoir dire sortir un, bon match, comme l'autre, le confrère vient de dire. Cheikh, alors parlant de match, il y a la gestion hein, des matchs qui jouent beaucoup. On l'a on, on vu hier, le Duc n'a pas su le faire, ils ont perdu. Mhm. On a vu aujourd'hui beaucoup de gestion hein, des deux coachs et finalement ça a été un match euh, très serré. Serré jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Cette équipe de Béra, par contre, qui a su gérer hein, son match hier parce qu'ils étaient un peu down, ils étaient un peu en bas, disons, au deuxième carton. C'était pas balancé, oui. Voilà, au mhm. troisième, au quatrième carton, surtout qu'ils sont allés plus au-dessus des Sénégalais. Mhm qu'est-ce que à quoi vous attendez en termes de gestion Bon, moi, la consistance, ça compte beaucoup, parce que leur match compte le dit qu'il n'y avait pas de consistance. Et c'est-à-dire, ils étaient en haut, la confiance vient à un moment et puis ça se perd. Et si le match continue moins de 5, à plus de 5 minutes hier, le ils Duc allait, le Duc allait gagner. le Duc allait gagner. Voilà, donc tu vois ça dans l'équipe euh, euh, euh mozambicaine. Et aujourd'hui quand même, les deux équipes vont être là euh, prêts à jouer parce qu'ils ont des défaites de les deux équipes. Ils vont être là vraiment prêts à jouer, spécialement. Bera, quand même sort d'une victoire. D'une victoire hier, spécialement je parle de l'AS Salé qui a fait Salé perdu son premier match. Et puis ils n'ont pas de l'aide dernier mot parce qu'ils ont les trois, presque les trois meilleurs joueurs de l'année passée. Pour mhm. moi, quand même, je pense qu'ils ne soient pas surpris si eh, les AS va vraiment faire le premier, <laughs> le premier coup au premier quart essayer de, de, vraiment créer une écart pour, pour vraiment faire euh, eh, la défense bien contrôler le match du début jusqu'à la fin. Mais ça, ça va beaucoup vraiment jouer sur euh, l'équipe mozambicaine si ils sont pas physiquement préparés parce que c'est la fatigue, comment on, dit la fatigue, ça, joue beaucoup sur les vieux que les jeunes Donc, donc on va voir vraiment comment ça va venir en, c'est des Moi, quand même, je pense que là, Salé, ils doivent décrocher cette victoire pour eux parce qu'ils ont assez de talent. Ils ont fait un très bon recrutement parce qu'ils ont amené, ils ont amené Aruna même qui jouait l'équipe pour Mozambique l'année passée. Et qui est vraiment, Aruna, à ne pas l'oublier aussi, que c'est un vraiment isolated, on appelle ça playmaker. C'est un joueur qui peut vraiment attaquer le jeu. Voilà. Il peut prendre le rebond, cause to cause. l'autre cerceau, il dribble, il marque, il, peut jouer 3, il peut jouer 4, il peut jouer le pivot aussi. Bon, même, même s'il n'a pas la taille de pivot, mais il peut faire mettre son dos sur le cerceau et peut essayer de passer la, faire un jeu au cerceau ou bien passe la balle. Il peut faire jouer les autres Voilà, il est bien. Et puis ici, il fait les, les, euh, down low. On appelle ça down low. Il y a un pivot au milieu, il y a un, un pivot au milieu pour vraiment router le cerceau. Ça, ça va beaucoup donner la faveur à Terrell, oh, le, le, meilleur de l'année passée, les joueurs qui jouent avec Kawhi Salé. Ça va lui permettre de shooter beaucoup de trois points ici. Il, Aruna se met au milieu. Stoglin. Uh, ah, si, yeah, Stoglin. Si met au milieu, euh, eh, high-low, ça va beaucoup vraiment les jeûner. Bon, c'est, on, voit que ce c'est pas Aruna seulement qui s'est affûté dans cette équipe. Il y a des gens qui peuvent vraiment tirer aux trois points. Aussi dans l'équipe euh, mozambicaine aussi, il y a Perry aussi qui est un playmaker aussi, à ne pas oublier. Donc ça va être un match vraiment. Eh, la personne qui va se fatiguer premier, c'est la personne qui va perdre ce match. ce que moi je veux voir dès que le match commence, les cinq minutes après ça va définir comment si va pouvoir maintenir sa force. Mais s'ils n'arrivent pas à maintenir et que la Salé arrive à pouvoir euh, verrouiller Kennedy et Perry, c'est fini le match. Et le match, ils ne vont pas le gagner. Mais ils eh, lorsqu'en face, on a des garçons comme euh, Perry et, Kennedy qui sont très en forme et qui font pratiquement et qui portent cette équipe euh, de Béra, quand on est coach, qu'est-ce qu'on cherche à faire Mettre un système en place pour les faire déjouer euh, je, pense que c'est la meilleure option, comme euh, le monastère a pu faire avec euh, en le limitant à 15 points hier et en limitant son impact dans le jeu. Ce serait la, chose la plus intelligente à faire pour coach Lee Smith. Mais il y a également une chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que euh, coach Liz Mills ne connaît pas son effectif autant que le coach euh, Luis Alberto mhm. euh, Hernandez connaît le sien. Parce que l'autre jour, il, me disait que, par exemple, un joueur comme Ismaël Souza, il le connaît et le suit depuis qu'il a 11 ans. C'est dire que cet entraîneur-là maîtrise son effectif et connaît pratiquement du bout des doigts tous les joueurs qui sont dans cette euh, équipe de, du Ferroviaro de Beira. Contrairement à coach Liz Smith, qui apparemment ne connaît pas trop son effectif, parce que moi j'ai l'habitude de le dire, hein. l'année dernière, euh, peut-être que le Ferroviaro de Maputo n'est pas allé loin, mais l'un des joueurs qui nous avait le plus captivé et Eugène, je ne cesse de le dire, était vraiment épaté par le talent et l'intelligence de jeu de, jeu de ce jour là c'est Alvaro Mata. Et on a vu lors du premier match que coach Luis ne savait pas comment utiliser, en tout cas, ou ne l'utilisait pas comme le, coach du Ferroviaro de Maputo le faisait, parce que l'année dernière, Alvaro Mata était l'un des joueurs avec le plus d'impact dans cette Basketball Africa League. Euh, lors de la première journée, on a vu qu'elle a été utilisé avec un temps très limité, son impact dans le jeu n'est pas le même euh, que l'année dernière où il, était, un électron libre, il était dans la raquette des fois, il était à la même des fois, il était euh, sur la ligne de trois points et il était très efficace et il avait beaucoup d'impact dans le jeu. Donc si on voit cette gestion par exemple de joueurs comme Alvaro Massa et la gestion que Hernandez fait de son groupe, on peut dire également que la maîtrise et la connaissance de l'effectif peut être un facteur déterminant dans ce match. Allez-y, Ali. Ouais, mais tu vois, maintenant, moi, je veux voir si Alvaro euh, Massa va pouvoir euh, euh, prendre ce match en main, comme il a été l'un des meilleurs joueurs l'année passée. Et c'est intéressant de voir ce, jeune qui, on veut dire, l'expérience dans le basketball il y a longtemps. Ils ont joué avec plusieurs joueurs et dans, plusieurs pays. Et pour moi, ça sera veut dire, un match qui doit veut dire, mettre son leadership euh, euh, en place de pouvoir lui dire donner la chance à son équipe euh, de gagner ce soir chèque Bon, comme Sedna aussi a dit, toi, ajoutons à ce que ces deux équipes ont, tendance à vraiment jouer bien. Et, comparément, quand on, quand, on regarde l'équipe de Beira du Mozambique, ils ont fait une prestation très impressionnante contre Yes Monastir avec leur premier match. Nous-mêmes, on pensait même que c'était c'est vrai parce qu'il faut souligner quand même que a joué contre l'US Monastique qui est très en forme, et qui survole un peu hein, cette conférence à Sahara là. Absolument. Et encore contre le, le club Hot qui est un public acquis à sa cause. Donc quoi qu'on dise, ils ont eu plus de pression hein, dans, dans, dans, cette ah, compétition. Absolument. Ils ont fait, leur premier match, ils ont perdu, je pense. Oui, ils euh, ont deuxième match, ils ont, gagné. Devant voilà, leur deuxième match, ils ont gagné. Ben, on voit, on voit. Moi, quand même, je pense que c'est pour vraiment, vraiment que ce tournoi soit <laughs> play amusant, il faut qu'il laisse salé aussi. <laughs> Moi, faire son premier victoire aujourd'hui, ça équilibre un peu, quoi. Et ça rend le truc euh, euh, un peu intéressant aussi de voir. Hein, et comment les gens vont sortir du pool de ce, de on, a dit que c'est deux équipes euh, qui vont s'éliminer hein, et qui vont se rendre euh, les, quatre, quatre, équipes qui se qualifient, qui se qualifient pour les playoffs et puis les deux équipes vont éliminer euh, on, on va pas on veut pas voir une équipe comme Maroc qui a le meilleur joueur de l'année passée on ne veut voir aucune équipe être <laughs> éliminée ou bien donc <laughs> pour, moi pour moi le, basket le match de basket c'est de dire gagner et se faire repérer par d'autres le problème est que moi, je vois, il y, a, assez de faiblesses quand on commence un match. Pourquoi Parce qu'on cherche à connaître son adversaire. Mais d'après avoir connu son adversaire, on veut veut dire prendre son match et gagner son match. Donc les deux équipes qui vont venir pouvoir se faire éliminer après, ils, auront le temps de venir se regrouper, et veut dire euh, allez l'année prochaine et pouvoir veut dire euh, nous montrer quelque chose de, différent. Moi, je vais venir voir l'équipe sénégalaise à sa domicile de pouvoir dire aller en avant, de ne pas se, faire éliminer au, premier tour. C'est ce que moi je, je, veux voir. Oui, mais aucune équipe ne voudrait se faire éliminer au, premier tour. Alors, Sedina, on tend vers un, hein, ce match-là, c'est dans cinq minutes. Si vous êtes coach, avec toutes les analyses que vous avez faites et que Cheikh et Ali également ont, ont, faites, dites-nous comment vous abordez ce match-là, de part et d'autre. Euh, du côté du, du de Beira, ce sera plus dans la gestion, parce que comme on l'a dit tantôt, euh, ils ont joué hier, euh, contrairement à leurs adversaires qui ont eu plus de temps de repos, ce sera la gestion et surtout une, intelligence dans le jeu comme ils l'ont fait contre le Duc. Moi, je pense que le match contre le Duc peut être un match, euh, leur match référence offensivement. Défensivement, il y a beaucoup de choses à améliorer parce que quand même, quand on prend 92 points, on ne peut pas dire que la défense était, était au, beau fixe Maintenant, du côté de, de l'AF euh, ils gagneraient à mettre de la folie, de la vitesse et de l'intensité dès le début match pour essayer d'emballer euh, cette rencontre et d'en imposer le rythme. Alors, Ali, lui, c'est notre monsieur défense. Monsieur défense, j'avais dire Ali, comment tu abordes ce match-là <laughs> Moi, je l'ai vu venir. défendre encore Seydina, tu as, tu as tout dit, mon frère. Seydina, tu as tout dit. La défense d'hier, <laughs> quand ils ont dû marquer 92 points, c'est que la défense, elle est plus là, mon gars. <laughs> C'est vrai. c'est vrai je voilà, voilà donc ils ont donné 92 points. À reconnaître ainsi à la défense, on ne va pas à 70 points. Hein. Non, mais écoute, <laughs> si, si l'équipe marocaine arrive à marquer ce 92 euh, points ce soir, ils vont perdre. Ça, c'est clair. Parce que hier, l'équipe sénégalaise n'a pas eu à s'organiser pendant tout le match. et maintenant, et ils ont eu à marquer 92 points. Pensez-vous que l'équipe marocaine va venir être organisée à 100% et n'est pas venir marquer 92 points et n'est pas gagné Mais écoutez, alors qu'est-ce que Béra doit faire C'est que l'équipe qu'on considère comme favorite depuis l'année dernière et qui domine les débats, le Monastir, quand vous regardez, le Monastir ne met jamais un score fleuve, mais il n'encaisse jamais beaucoup de points. C'est-à-dire la force de l'US Monastir, on ne le dit pas souvent, mais c'est la défense en fait. C'est la défense, absolument, parce qu'ils sont consistants. Hein, finalement, on donne raison à Ali. Mais j'ai toujours raison, j'ai toujours dit, mon gars, non, la défense gagne au match. Yacouba, y hein on ne peut pas jouer le match sans la défense. Mais même quand tu vois au NBA ici, y a, quand tu regardes au NBA, les scores cette année, c'est 134, 140, souvent même 150 points. Ça, ça hein. veut dire qu'il n'y a pas de défense. Mais au playoff, tu vas jamais voir un score comme ça. Bon, la défense, vraiment, ça montre, ça rend le jeu plus intéressant. Mais c'est pas tout le monde qui peut jouer la défense. Parce que la défense, ça demande plus d'efforts que l'offense. Mais justement, est-ce que les équipes ne sont pas portées vers recruter des shooters, recruter des gens qui marquent des Absolument. plutôt que de se focaliser sur des gens, comment les former pour qu'ils défensivement. Non, Absolument. non, non, non, non. C'est la communication. Quand on parle de la défense, n'oubliez pas, si nous trois, on ne communique pas. On va pas venir jouer la défense, tout est cassé. On, rentre dans l'individualité, ce sont des, individualités, non des jeux. Effectivement, mais on doit jouer collectivement en défense. Parce que si on joue main-to-main, si la personne qui garde, si chèque garde sa personne et que sa personne dise, c'est à moi de prendre la charge. Je ne peux pas attendre à ce que Cheikh va venir. Ah, en, parlant de défense, Yacoub, ce, qui, montre un peu qu'Ali a, a raison d'insister sur la défense, c'est que le Zamalek a le même effectif à presque 80 à 90% le même effectif que l'année dernière. Donc ce problème de communication, d'automatisme et de positionnement sur le terrain, notamment à défense, n'existe pas ce qui les rend encore plus imperméables. Regardez le nombre de points que, que, le Monastir a, encaissé. On, leur met 50 points, 60 points, maximum 70 points par match, parce qu'ils ont cette défense-là qui a une bonne assise depuis l'année dernière et qui n'a pratiquement pas changé. Alors Ali, vous l'avez dit, il faut savoir défendre, Cheikh l'a répété, Seydina également, il faut savoir défendre. Et donc, d'ici là, ce sera ce match-là entre Ferroviaro d'Abeira du Mozambique et l'AS Salé du Maroc. On va le rappeler, l'AS Salé hein, qui a perdu son premier match devant Reg du Rwanda. Et Ferroviaro de Beira qui est à son troisième match pendant que l'AS Salé joue son deuxième. Ferroviaro de Beira qui a perdu son premier match face à l'Union sportive Monasti et qui a finalement gagné hier. Tout de suite, une courte pause et on